Thank you. bonjour. Vous l'avez compris, il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de notre émission Le Niger c'est Kalangou. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et avec moi Mariam Adé. Bonjour Mariam, tu es d'attaque pour ce matin, j'espère. Oui, complètement Habiba. La technique est assurée par Kader Chombiano et à l'édition, nous avons Adam Adawaki et Rahila Toussoumana. Nous ouvrons l'émission avec les flashs à suivi de l'entretien du jour à notre invité, M. Moussa Baji, coordinateur à santé du CICR. Le Niger sur surtout des reportages à région. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Zender, capitale du Damagaram, pour parler du 7e art avec de jeunes réalisatrices. Notre rubrique hebdomadaire environnement du mercredi est consacrée à la conservation de la nature, en l'occurrence à celle des girafes sans oublier la page sport et surtout de la bonne musique nigérienne. Chers auditeurs, ne ratez pas une miette de tout ça. Top, c'est parti pour une heure d'antenne. Tout de suite, voici les flashs d'informations présentées par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba, comment tu vas Ça va. Alors pour ce matin, <clears throat> Les compagnies de transport se sont engagées chacune à verser une somme de 200 000 francs CFA chaque mois pour alimenter le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. L'annonce a été faite hier par le secrétaire général de l'organisation patronale des gares modernes selon une dépêche de l'ANP, l'agence nigérienne de presse. Cet engagement fait suite à la disposition de l'ordonnance signée par le président du CNSP qui a trait au prélèvement de 10 francs sur chaque billet de transport voyageur afin de contribuer à la mobilisation des ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, précise la même source. Par ailleurs, les compagnies de transport voyageurs et du syndicat des transporteurs libres ont remis à la présidente du comité de gestion plus de 42,5 millions de francs CFA en espèces afin de contribuer à cette initiative. Notre monde est divisé, nous pouvons et nous devons être des Nations Unies. C'est en substance les mots lancés par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, hier, jour de célébration de la journée des Nations Unies. Toujours dans son message, Guterres dit reconnaître que les relations sont mises à mal mais la Charte des Nations Unies est ancrée dans la détermination pour surmonter les difficultés. Il a ajouté que c'est le moment d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'assurer la justice, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. La journée est instituée depuis 1947 pour marquer l'anniversaire de la mise en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Enfin, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman, a entamé une opération contrôle des magasins de stockage de riz au niveau des importateurs et grossistes de la ville. L'objectif est de s'assurer de la disponibilité de 2100 tonnes de riz commandées par les opérateurs ou en direction de la ville et de la région de Maradi, selon les statistiques détenues par la douane et la direction régionale du commerce. Plus d'une douzaine de magasins ont été visités, mais moins de 400 tonnes y ont été trouvées. L'explication donnée par les opérateurs est que la cargaison commandée a été dispatchée dans les marchés départementaux et communaux selon le souffle de Maradi. C'est tout pour ce flash de ce matin. Merci beaucoup, Rafika. Bonne journée. Merci. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes en compagnie de M. Moussa Baji. Il est le coordonnateur santé du CUCR, Comité international de la Croix-Rouge. Avec lui, nous allons parler des activités que mène l'organisation. Bonjour, M. Moussa. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. <clears throat> Mais nous allons écouter la première sélection de notre playlist avant d'entamer nos discussions. Nous allons plonger dans le Bollywood nigérien avec euh, cette chanson qui fait le tour du monde et sur les réseaux sociaux. C'est le titre Insaido de l'artiste Lafia de son vrai nom Yaya Mohamed. Superstar tashi bar jahiltar harka ta rabba da addu'ar iyaye muka takama su suka ce Allah kiyaye ina ruwa na da ku sa ido kuna ruwan ido magautan mu kuna ruwan ido ku na sa ido ba daɗi na yin munafinci ba to a hakan kuke ta zagina me ɗaki ya san wurin da ke mai yoyo wasu na ɗauka alhaki na wayo ba ku da masanin hakan ɗan juyo da an yi kiran dai uwa akwai dai baba da kaji ana sake-sake ba a kamu ba tun da an ce dauka kawai ake yin rauni dan makahon daji shigarsa ko kwai illa saye kwalla muna gani muna yi muna salo da yayi kuku kuna ta yin bulaye tun da ilahu ya aran dama za mu dama munafukai ake cewa yan kunama shi munafiki tun daga ran da an ka haife shi mamar sana na dama kunya ba a bakin gidan a lalle a bakin gidan a bakin gidan ba su ga faɗi na gaskiya ba a bakin gidan ba su mowarci da arziki ba a bakin gidan munafunci ne gami da zamba a bakin gidan nan ne tushen ai ba zan rufe ba a bakin gidan ba su yarda da kaddara ta Allah ba a bakin gidan ba me yarda a bashi bai so a bakin suke ga kwallo dan mazare ya hau ya taka mu kuma mun zauna mun doka albarka take ratsar mu mu ba malayin layin yan shirka da addu'ar uwa da uba idan ta ma idan ka zuba mun doka tambaran daidai dan limamin waka ke waka aljannan kiɗa doka avec notre invité du jour, à qui je vous le rappelle, il est le coordinateur à santé du CICR. Alors, monsieur Moussa, dites-nous, avez-vous kiffé cette musique Bien sûr. <laughs> J'aime la culture, donc ça a été euh, une bonne découverte. D'accord, alors. Maintenant, parlez-nous du mandat du CICR et quelles sont vos zones d'intervention dans le pays Merci beaucoup euh, pour, l'invitation. Euh, par rapport au comité international de la Croix-Rouge, le CICR, que je représente aujourd'hui, euh, qui est une organisation exclusivement humanitaire et qui a pour euh, mandat euh, d'assurer la protection et assistance aux, victimes des conflits armés et aux situations de violence. Et c'est les activités que nous, que nous menons aussi ici au Niger depuis, depuis quelques années. À part ça, vous n'avez pas d'autres activités Comme je dis, là, je. Pas... Quel genre de victimes la dernière fois, vous me disiez les victimes blessées par balle ou je ne sais pas. Oui, ça c'est une, euh, une catégorie de victimes en fait. Hein. Quand, on parle de conflit, euh, on parle de, de, tout ce qui en fait ont directement ou indirectement été affecté par la situation de conflit. Je donne juste des exemples, comme vous venez de le dire. On a les, les, les victimes, euh, les blessés euh, de guerre. Quelqu'un qui, qui, est blessé, par exemple, à Terra, quelqu'un qui est blessé à, à, à Chetimari, il fait partie, en fait, euh, de ces victimes-là. On pourrait dire quelqu'un qui a été malheureusement peut-être arrêté sur le terrain et qu'on qui, amène en, en, prison, il fait partie d'une victime, même si peut-être il a fait quelque chose qui, qui n'est pas euh, donc avec la loi. Il fait partie aussi des victimes et aussi des bénéficiaires du CICR parce qu'en fait, on va pouvoir le visiter en prison pour voir est-ce que en termes de, de, loi, il est bien traité ou pas. D'accord. Et qui sont les bénéficiaires de votre programme dans vos zones d'intervention euh, je la panoplie en fait des bénéficiaires du, CIT, les larges en fait. Hein. Euh, tout à l'heure, j'ai mentionné euh, tout ce qui est santé. Je resterai plus ou moins dans le côté santé. C'est le domaine auquel je, je suis responsable. Mm-hmm. rapidement, peut-être avant de venir au niveau de la santé, on a tout ce qui est en fait des assistances dans le cadre en fait de l'eau dans le mhm. cas des, habitants, en fait, euh, des gens qui ont perdu leur maison et autres, là, les CICR les aident aussi à pouvoir avoir un, toit qui soit permanent ou, temporaire. Mhm. On a des gens qui ont perdu toute subsistance par rapport à, à, la nourriture, euh, aux, activités qui leur permettaient de pouvoir vivre, euh, la culture et autres. Là. Donc aussi, il y a ce volet-là qu'on fait en fait habituellement les assistances en termes de nourriture ou autres euh, activités en, termes aussi de ces gens qui ont tout perdu, ils n'ont plus la capacité de pouvoir faire la cuisine euh, de manière très simple. pour les donne en fait du matériel qui leur permettait de pouvoir, euh, de pouvoir faire cela. Du côté santé, c'est un peu plus grand. Il y a les blessés, comme vous l'avez dit mhm. tantôt. on a aussi en fait des gens qui étaient blessés, malheureusement amputés et qui ont besoin de pouvoir continuer à vivre. Et ces gens-là, on les donne ce qu'on appelle des prothèses ou des orthèses pour leur permettre de pouvoir reprendre. Ça, c'est aussi une activité qu'on mène euh, au niveau, au niveau du Niger. Il y a aussi, comme j'ai dit tantôt, les visites en détention euh, au niveau de la prison pour permettre en fait à aux gens qui ont été arrêtés dans le cadre du conflit de pouvoir être sûrs est-ce que tout le droit qu'ils devraient avoir en détention, c'est pas parce que vous êtes en prison vous n'avez pas les droits. On a encore les droits. L'un des droits les plus fondamentaux, c'est la santé. Quand vous êtes en détention, vous devez avoir accès à un truc. On visite pour voir est-ce que ces gens-là ont euh, accès. L'autre, c'est par rapport en fait aux activités, ce qu'on appelle les soins de santé primaires. Ici, on dit les CSI en fait, qui permettent aux gens qui sont je dirais par exemple, à Terra, à Bankilare, à Bala, de pouvoir avoir accès aux soins de santé primaires. Quelqu'un a par exemple le palu, quelqu'un a la diarrhée, qui puisse aller dans une structure de santé soutenue par le CICR et qui puisse avoir accès à un traitement avec le minimum qu'on peut, qui peut être offert. Alors, en quoi consistent les activités du programme santé au, CICR euh, je dis globalement, le, le, département santé du CICR au niveau mondial à six programmes. En fait, les, programmes vont, ce qu'on appelle les premiers secours, qui permettent en fait, s'il y a des blessés sur le truc, de pouvoir faire les premiers secours avant de les amener au niveau des hôpitaux. On a le, programme que je viens de citer, qui est les soins de santé primaire, qui est le soutien des CSI. Ici, on, parle des centres de santé intégrés on a ce, projet en fait des blessés qu'on vient, de mentionner. Nous soutenons ici euh, au niveau de Niamey, au niveau quand je parle du niveau du Niger, sept hôpitaux pour la prise en charge des blessés liés au conflit. Nous avons ce, programme, euh, le programme de réhabilitation physique. Comme vous le savez, le Niger a deux centres de réhabilitation physique. Le centre qui se trouve au niveau de l'hôpital national de Niamey et l'hôpital de, de Zander. Ces deux centres que le CIC soutient pour permettre en fait de, soutenir en fait ces victimes que je viens de dire du conflit et qui ont besoin d'ortères ou euh, de, prothèses. On a ces activités euh, santé en détention, comme j'ai dit, pour la visite de, ces mhm. gens-là. On a aussi des activités de santé mentale. Ça, c'est globalement ce qui se passe au niveau mondial. Maintenant, en pratique, ici à Niamey, sur les six, on n'a on pas ici santé mentale et en fait euh, l'activité euh, de premier secours, qui est le CCL ne le fait pas, mais qui est fait par nos partenaires du mouvement, qui, est en fait surtout la Croix-Rouge nigérienne qui fait cette activité. Et au passage, je salue en fait euh, les volontaires qui font un travail extraordinaire au niveau du terrain. Est-ce que vous avez des antennes dans les autres régions euh, Nos zones, euh, ça, on parlait là maintenant de zones opérationnelles. Hein. En fait, nous sommes aujourd'hui présents au niveau de la région de Tilaberi, euh, où nous avons plusieurs activités, pas seulement la santé, mais les autres que je viens de citer, Ecosec, Watab et tout ce qui est protection. nous sommes présents au niveau de Difa, la région de Difa. Nous sommes présents au niveau de la, la, la région de Tawa. C'est là où, le CICR met plus en fait euh, les, activités. C'est là où il y a plus de vulnérabilité par rapport. À... Je dis pas c'est seulement là-bas, mais comme vous le savez, nous sommes dans un monde humanitaire. Nous ne sommes pas les seuls. Le CICR euh, travaille aussi avec d'autres partenaires et il y a d'autres partenaires euh, du mouvement. Lesquels, par exemple euh, La, la, Croix-Rouge nigérienne, hein, c'est un partenaire privilégié du, CICR qui travaille aussi dans le cadre, dans le cadre du, conflit. Vous avez d'autres organisations humanitaires qui travaillent aussi. je peux citer que vous avez, vous avez MSF, vous avez les organisations des Nations Unies qui, qui sont dans ce monde humanitaire. Donc, mais nous, en fait, on s'est concentré plutôt dans les régions où la, vulnérabilité par rapport au conflit est plus accrue. C'est pour ça qu'on est dans ces, dans ces trois régions-là. Alors, je vous propose de poursuivre en musique avant d'entamer la deuxième partie de nos échanges. masayana da dama baban ne eh. eh, na ku e biyo ne ka sha uba masu bakin ciki na ce me yasa kuke kallo na shekaru ɗaya bayan ɗaya na ce me kuke bayana kunye kunye ku kan ni kasa na ce me yasa kuke ketata baba mai sama ya bambewa ya sukani bai muserutani vaiwadatoka kawa alane ya bamu avec les fans never give it up kukosa itawagana wapiga ekasa sutemune eubadokomune ga elpacino nangata ekubama eh, suka intiki natemiyasa kuje kallona shekaru dai bayan daya natemiyasa kuje bayana kunyi kunyi kukan De retour au studio avec notre invité du jour. Tout à l'heure, on a parlé des programmes, c'est ça alors maintenant, dites-nous comment est-ce que le CICR met en œuvre ces programmes dans un contexte comme le Niger euh, Merci beaucoup encore une fois. Euh, comme on a, euh, nous avons plusieurs modalités de travail. ici au Niger, comme vous le savez, l'État existe, n'est pas un État effondré où il n'y a, rien. L'État est présent et ses services sont là. Donc on, utilise plutôt de nos modalités qui est en fait le soutien Hein, on soutient l'État, donc ça veut dire que quand je viens en termes de, de structures sanitaires, il y a des structures qui fonctionnent déjà, même s'il y, a, euh, il y a des difficultés, il y a des gaps. Donc c'est en ce moment-là que nous, on vient accompagner en fait les autorités à pouvoir euh, essayer euh, d'accompagner toutes ces victimes-là. Donc ça, c'est important de, se tenir, parce, de, le dire, de mentionner d'ailleurs, parce que dans d'autres contextes, c'est nous qui faisons tout. Ça veut dire qu'il y a rien, on va de, du rien ici, ce n'est pas le cas. Donc, euh, pour les structures, par exemple, euh, primaires, comme j'ai dit, les, les, les, CSI, le travail se fait via des évaluations. C'est des évaluations qu'on fait avec les victimes elles-mêmes, on, on, le fait avec les partenaires qui sont là, déjà les autorités administratives, tout ce qui tourne au niveau de la zone pour nous permettre de mieux comprendre la situation. À partir de là, on va définir ensemble pour voir en fait par rapport à ce que nous on a vu, par rapport à nos moyens, par rapport à nos mandats et missions, on essaye de définir des stratégies d'intervention, de soutien à ces victimes-là en fait à titre d'exemple, aujourd'hui, les CSI on fait ces évaluations. On essaie de voir est-ce qu'il y a un, un problème d'infrastructure Est-ce que la structure elle-même, elle est là, elle n'a pas été brûlée et autres Est-ce qu'il y a de l'eau Est-ce qu'ils ont assez de médicaments qui arrivent tous les mois Est-ce qu'il y a assez de, ressources humaines et autres là Ce sont ces éléments-là qu'on analyse et à partir de là, l'intervention va être définie. Donc, l'intervention qu'on a, par exemple, dans la région de DIFA, Mhm. peut-être différente de l'intervention de qu'on peut avoir au niveau d'Ottawa. Parce que ça dépend du contexte, ça dépend de, la disponibilité de ce qu'on a de ce qu'on a sur place. C'est comme ça qu'on fonctionne ici au Niger et dans beaucoup de pays euh, dans le monde où est présent ce CICR. Monsieur Moussa, comment est-ce que vous arrivez à fournir l'assistance aux populations vulnérables dans ce contexte de fermeture des frontières dans, au niveau de chaque difficulté, hein, euh, on, parvient toujours à trouver euh, des voies et moyens parce que pour nous, euh, les 100 mhm. voix qui sont les victimes ont besoin de l'assistance du CICR et de d'autres organisations humanitaires. Donc, ce qui fait que nous sommes obligés de pouvoir trouver, comme j'ai dit, des voies et moyens pour pouvoir y, accéder. par exemple, en, termes d'approvisionnement de, de, médicaments, en fait, ce qu'on fait, il y a une planification, pas de mois, mais c'est une planification qui se fait trois à 6 mois. Donc, ce qui fait que au niveau du pays, on a un stock qui nous permet déjà de pouvoir fonctionner pendant 3 à 6 mois. Maintenant, si ce stock n'est pas, pas renouvelé régulièrement, on va vers des ruptures de, de, stock. Aujourd'hui, on a encore assez euh, de stocks qui nous permettent en fait de pouvoir rouler, mais on a besoin de pouvoir euh, faire rentrer. Et aujourd'hui, avec aussi toujours le soutien euh, des autorités, leur flexibilité et disponibilité, que je, je, je, je, je remercie ici, on a pu recevoir la semaine passée un cargo humanitaire qu'elles ont, qu'elles ont pu laisser entrer dans le pays où on a euh, des tonnes de médicaments pour nous permettre de continuer à, soutenir euh, ces victimes. Cependant, cela ne suffit pas. Euh, c'est un appel que je lance encore une fois aux autorités pour aider toutes les organisations humanitaires, je ne parle pas seulement du nom de CISA, mais pour permettre en fait de nous accompagner, de nous aider à mieux aider les victimes qui ont besoin de tous dans cette situation difficile. Comment est-ce qu'arrivez-vous à surmonter les défis d'approvisionnement en médicaments ces défis, comme j'ai dit, en fait, euh, en, termes de soutien, on est, on est, euh, les autorités restent euh, des éléments importants hein, dans, ces dispositifs-là, parce qu'aujourd'hui, les médicaments, par exemple, qu'on a dans nos, dans nos stocks ici à Niamey, ont besoin de bouger pour aller sur le terrain. Et ça, euh, pour pouvoir le faire, on ne le fait pas seul, on le fait en, étroite concertation avec, euh, avec ces autorités-là. Maintenant, concrètement, comment ça se passe euh, Il y a un travail qui est fait en concertation avec les responsables de ces structures-là, qui font ce qu'on appelle des inventaires de ce qu'ils ont de ce qui a été consommé. Et à partir de là, ils fournissent nous au CICR qu'on fait le travail pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin euh, réellement. Et à partir de là, les commandes sont faites mensuellement ou trimestriellement. Dès que tout ça, c'est bon, on, euh, on, partage cela avec les autorités pour lui dire, OK, on devrait pouvoir envoyer sur le terrain. Et dès que c'est validé, c'est bon, on envoie tout sur, sur le terrain. D'accord. Merci bien, Moussa. À la prochaine fois pour d'autres questions dans votre domaine. Bonne suite de la journée. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est l'ère de la rubrique hebdomadaire du mercredi et comme chaque mercredi, nous parlons environnement. Le Niger vient de lancer une étude de faisabilité des classements d'une zone dédiée à la conservation des girafes dans 11 communes à l'ouest du pays. Dans ce cadre, une concertation est en cours entre les responsables en charge de la question et les communautés concernées. L'objectif est d'avoir un espace à protéger par ces girafes qui sont environ 1000 individus. Salif Mahmoudou, spécialiste de la conservation de la girafe de la nature, explique au micro de Asman China. Ce processus, dans un premier temps, veut être participatif et veut se faire autour d'un consensus avec l'ensemble des communautés locales, avec l'ensemble des partenaires et des parties prenantes qui sont impliqués depuis des décennies dans la gestion de cet espace appelé girafe. Alors euh, cela implique pas mal d'activités en termes de communication, en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation et d'engagement pour qu'on puisse arriver face aux différentes menaces sur l'espèce, notamment la dégradation continue et très sévère de l'habitat de la girafe. Ensuite, les conflits hommes-faune entre la girafe et les populations locales, notamment euh, à la question d'accès aux ressources naturelles. Alors donc, tous ces conflits et toute cette attente à l'habitat de la girafe font en sorte que si nous ne prenions pas garde, l'espèce elle-même sera menacée malgré sa bonne dynamique de population, puisque aujourd'hui nous sommes à environ 1000 eh, individus de cette espèce dans, cette zone. Alors euh, c'est pourquoi ce processus est attendu de plusieurs acteurs qui veulent en sorte que au moins une certaine superficie de la zone soit classé pour assurer la viabilité écologique, la bonne cohabitation entre la girafe et l'homme dans cette zone. Alors les forats, c'est une forme de dialogue, une forme de recherche de consensus par rapport à ce que nous voulons faire. Si l'État veut classer en cette période où toute approche en matière de sauvegarde de l'environnement doit être participative. Et donc, le cutus de la population est un gage de réussite des futures activités. Alors nous allons faire 11 communes, 11 communes de la zone de distribution de la girafe. Ces 11 communes-là, certainement à l'issue du processus, elles vont s'engager à ce que l'État du Niger prenne un acte de classement par rapport à cette zone, ce qui sera une très grande avancée. Après plus de trois décennies de conservation de la girafe, nous allons couronner et ces efforts du Niger avec ce classement-là. Nous aurons bientôt une aire protégée dédiée à la girafe pour les besoins de l'ensemble de la communauté internationale qui attend beaucoup du Niger, de la communauté nationale et des communautés locales. Ça veut dire avoir une cohabitation entre ces girafes euh, et la population. Qu'attendez-vous de ces populations Les populations, elles cohabitent déjà avec ces girafes. Donc il y a toute une histoire de vie commune, de partage de ressources naturelles. Mais ce qu'il faut attendre plus, c'est permettre l'épanouissement de l'espèce pour qu'elle puisse continuer à se développer, pour qu'elle ait les ressources, parce qu'elle a des espèces appétées par euh, la girafe. Il y a aussi des habitats. Donc, il y a un ensemble de conditions écologiques qu'il faut que ces bourses tigrées-là, ces dalols, ces zones intermédiaires-là, les remplissent. Donc, la population ne peut pas continuer le déboisement tout azimut de toutes les espèces sans une réglementation il faut réglementer, il faut que l'accès aux ressources naturelles soit suivi, il faut qu'on ait des partenariats entre les populations, les services techniques, les communautés, pour qu'on puisse avoir une saine gestion commune des ressources naturelles au profit de tous les utilisateurs, que ce soit la girafe, que ce soit l'homme, que ce soit les autres espèces. Il faut qu'on trouve une harmonie d'utilisation, une gestion harmonieuse de ces ressources naturelles pour assurer la durabilité de ces écosystèmes-là. Voilà ce qui est attendu des populations. Elles continuent leur activité comme d'habitude, mais dans le respect des règles d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Cette population, notamment les producteurs, voient en cela une menace contre leur production agricole. Comment euh, cela doit se faire La girafe elle-même pose un problème du fait qu'elle appelle par exemple certaines euh, espèces cultivées tels que le nébé, le mangui, ainsi de suite. Vous voyez bien. Donc il y a ce conflit déjà. Et en dehors de cela, et la population elle-même, elle a aussi des préférences par rapport au prélèvement sur les ressources naturelles, notamment la question de bois énergie pour l'approvisionnement de la ville de Niamey. C'est une demande forte en termes de bois. Souvent, la demande est supérieure à la productivité de l'écosystème. Donc le capital même de l'écosystème est entamé. Donc on va vers la dégradation. Donc une bonne partie de cette bourse tigrée-là, elle est dégradée. Une bonne partie, elle est menacée. Donc voyez, il faut qu'on trouve le juste milieu pour rétablir ces écosystèmes-là, essayer de les rendre plus productifs dans l'intérêt de chacun. Merci bien, Soumana China. Après ce reportage, Mariam, je te propose de souffler avec les titres Soboro de Salim Peter. l'artiste Salim jean pierre qui sensibilise les Africains à travers ses morceaux à dormir sous moustiquaire afin d'éviter le paludisme. A noter qu'en Afrique subsaharienne, les enfants de moins de 5 ans comptent plus de 80% des victimes du paludisme. Pour lutter contre ce fléau, le paludisme, ayons une meilleure hygiène de vie, protégeons-nous. Dotons nos villes et villages de moustiquaires imprégnés. santé. Repose en paix, mon frère. Balayé, Samara. Nettoyé, Samara. Place à l'écho des régions, tout de suite direction Zander. Oui, Habiba Zander, où les jeunes filles de certains villages ont réalisé des films sur des problèmes qui minent la société et qui touchent notamment les jeunes, en particulier la jeune fille. Oui, Mariam, au nombre de 8, elles ont été formées en vidéo participative dans le cadre d'un projet de l'UNICEF. Reportage de notre correspondant à Zender, Ali Keta. Écoutons. An gwada fina ne bayan wani horo na sati biyu da su wannan yara suka samu a cikin watan Disamba na 2022 wanda kuma shekarunsu bai wuce daga 14 zuwa 22 ba. wanda suka shirya fina-finai sun hito ne dai daga ƙauyuka cikin da'irar birnin da magaram da kuma wa'ansu ƙauyuka na gundumar kance mata mai a cikin fina-finan da su wannan yara kankana suka shirya sun yi zance ne bisa kan abin da ya ke shama al'ummar yankin nasu kai gama arman gargawa tabi'al barace-barace ga yara kankana da kuma ya mata da kuma tabrada ta su e ɗiya mata wanda suke fita suna zuwa kasashen waje da fyaɗe da ake ma yara kankana da kuma sa ɗiya mata karatun boko. sunana jara abdulaziz an gwada fim kin wanda na yi a can kashe domin yan uwana yan kashe ni su gani da jama'an gari film guda uku ne ta farko na yi ta bisa kan auren gaugawa da ake ma yara ta biyu na yi ta bisa kan tsarin iyali ta uku kuma na yi ta bisa kan ilimin mata da na kasance iya matsayin shekaru na ban da salula babba mu ban taɓa ban rike ta gaskiya ban sha wahala ba a cikin sati biyu na aka mana makoya kenan ai babu wahala a cikin shi malika shayan horon da aka ba mu na kwana goma sha hudu haka kamar yadda ake yi ma yara auren wuri sha uku sha hudu sha ke yi musu aure gaskiya bai kamata ba shine ni ma dai na yi jan hankali bisa kan haka nan cire yaro a yi mishi armi dan ya dago kawai ba a bincika shekarun shi a ringa barin 'ya'ya mata suna kaiwa haka sha takwas abin da ya sama insha Allahu zan ci gaba da yin da kara jan hankalin mutane a lokacin da ya ɗauki magana domin a ƙarƙashin shi ne aka gwada su wannan ayyukan shirya wannan fina-finai mai martaba sarkin damagaram ilhashi abubakar umaru sanda ya shinshina ma su wannan matasa a sati biyu ayyukan da suka yi kuma aka zo aka wallafa shi al'umma ta gani a kan haka mai martaba sarkin da bagaram ya ce su wannan yara ya kamata a bi su sau da kafa kuma a kama musu domin wata rana za su zama shahararrun masu shirya fina-finai amanan kasar ta Nijar da ma duniya gaba ɗaya. Akwai fanni wanda yake nuna jan hankali ga iyaye da suke ɗaukan yara suna musu dole cikin suna da shekaru kaɗan akwai wanda ake ɗauka ana zuwa da su ta da je ana barace-barace da su ana bata musu lokaci yara wanda suka yi an dora su turba man aiki da samun yin sana'a wanda suka koyi wani abu ya kamata su ci gaba da yin su tsaya aisha maki wadda ita ce ta ba su su wannan horo kuma shahararriya mai shirya fina-finai a nan ƙasar mu ta nijar ta ce a shekaru goma cir da take ba yara kankana horo ba bata gaba masu hazaƙa da saurin lura da kuma daɗin kai kamar su wa'annan matasa guda takwas wanda suka hutu daga gundumar kance da ma wa'ansu ƙauyuka nan da'irar birnin da magaram ta ƙara ba da wato ƙarfin gwiwa ga su wa'annan matasa a bisu sau da ƙafa matasa ne wanda wa'ansunsu karatun boko ma ba su ba kuma a cikin sati biyu kacal suka zo suka koyi yadda ake ɗaukan salula yadda ake tace wato hotuna ko kuma mashigi yadda kuma ake iya ƙirƙiro fina-finai akan haka Pour des filles qui viennent pour la plupart des villages et qui n'ont jamais été exposées à un le prendre, savoir faire des vidéos, savoir faire du montage, savoir faire euh, le mixage, l'étanoulage, jusqu'à l'export d'un film entier. Et je peux dire que c'est une grosse fierté pour moi. Parce que d'habitude, les filles que j'ai l'habitude de former depuis presque 10 ans, c'est des filles qui sont instruites, mais là, j'ai été euh, pour la première fois exposée euh, à des filles qui n'ont pas réussi euh, des longues études. Parce que la, la, la, plus grande, je crois, elle a un niveau cinquième. Et il y en a qui n'ont jamais été à l'école. Ces filles sont aussi capables. Il suffit tout simplement de leur donner les moyens pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, je vous invite à suivre la page sport avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Ça va la FENIFOOT a reporté le démarrage de la Super League édition 2023-2024. Oui, Abiba. Et la Super League devait commencer le 27 euh, octobre 2023, mais malheureusement, la commission en charge des compétitions au sein de la Fédération nigérienne de foot a jugé utile de reporter le démarrage jusqu'au 18 novembre prochain. Les raisons évoquées par l'instance seraient les retards des clubs à se conformer aux exigences pour jouer la Super League. Gourouza, nous partons à Wallam, dans la région de Tilaberi, pour découvrir la pétanga, n'est-ce pas Oui, Abiba. Et Myriam, je sais que tu aimes la boule La ville de Wallam dispose d'un club de pétanque euh, qui est animé par des passionnés de la boule. Après le boulot, ils se retrouvent entre eux pour jouer, oublier le stress de la journée. Notre reporter Sariou Adam un reportage dans la région zone, a rencontré un des membres de l'équipe de pétanque de Wallam, Daouda Tawid, entraîneur, et nous fait la situation de ce sport dans sa localité. Vous n'êtes pas sans savoir que les boules sont des trucs chers. Le trio de boules est un peu cher et puis on a besoin vraiment de matériel pour pouvoir s'entraîner et par la suite hein, commencer par aller jauger notre niveau auprès des autres. Entre-temps, la pétanque était considérée comme un jeu de vieillard. C'est-à-dire, c'est des retraités qui jouent à la pétanque. Ce n'est pas trop considéré en fait. Mais aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que la jeunesse est en train de s'adonner à ce, sport-là. La, Coupe du Monde passée, la Coupe du Monde de pétanque a été jouée en Afrique, particulièrement au Bénin, les 7-8 passés. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jeu comme l'on dit contemporain, la jeunesse doit s'adonner à ça. Et pour que la jeunesse puisse s'adonner à ça, il faut vraiment la main mise des autorités. Il faut que les autorités viennent vraiment nous accompagner. Beaucoup qu'ils viennent vraiment nous accompagner, nous soutenir. Parce sans le soutien, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans le soutien. Mais quand ils vont commencer par vraiment euh, redonner vraiment du blason à ça, je pense bien que ça vraiment, ça nous, ça nous ira droit au cœur. Et puis, nous allons drainer toute une foule. Gourouza, maintenant on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations de foot. Le ballon de match officiel a été présenté au public. Ah oui, c'était hier en Côte d'Ivoire, là où la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, va se jouer en janvier prochain, plus précisément le 13 janvier, et ça va finir euh, le 11 février 2024. Le ballon de la Cannes portera le nom de Poku. Grouza, qui est Poku ah. Dis-nous tout sur lui. Eh mais euh, Abiba, et Laurent Pocou est une ancienne légende ivoirienne. C'était un attaquant qui a marqué le football africain. Il a marqué 5 buts en un seul match lors d'une canne en 1970. En 1970, j'avais quel âge mm-hmm. parlons pas. <laughs> Donc, euh, ce nouveau ballon portera le nom de celui qui est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du foot ivoirien. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci beaucoup, Gourouza. la semaine prochaine. Merci, Myriam. Alors, chers auditeurs, Passons au portrait du jour. <laughs> Passons au portrait du jour, n'est-ce pas, Mariam Oui, Habiba, aujourd'hui, on va parler d'Abdoulaye Hamadou Hassan, connu sous le nom de Zakaï Megadize. Il a créé une sorte de radio appelée Nokowa, où il réalise des sortes de revues de presse qu'il partage sur les téléphones portables. Dans ses productions, il imite les voix de certains journalistes. C'est ainsi que Zakaï, avec sa voix, se fait une renommée sur les plans national et international. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre farmi no gita goy sintina ay kambore gans gay bayda nga gita labar no labari nga nay no la bise se dai no mo ag kani se gumo ay so bay ga nyamai raji ay dini journalist gin dey don don journalist kurki ha hagin ga ginda sambu se matkazu journalist so ga no haikat labar noyon dwara dai dang zarm chine bai di labaro danga boran nong raja bon asar kaina aigin ga a hansa wan zarm sannoga ifo no nan nina goyo wo suban kan nan anin be gumo kan nan goyo wo dai ain suban goyno kan go zan kaga far ngono ay go fari ay gi musalay don dan dang bwadi sal boray musalay di modi mai yakiyan kada ay mo hayadi na goray lakkalo ay di kan goyno kan aga labi zai tonton da borin lakkal ya taga wadin sayanai mo ai go goro gai la sabi antene to songo ai gidan ai ragiya ga mayino ngigite ai dan ragiya ga ragin kowa hausa ni danda me zarm kin ga ayegu guna aine ragin kowa danga bor kurwonno ragia kwara kando ene ragia mayo dang ngite bulun junga wura goy nirgite haykan ay ma ragia e bon amfaniyan buwari saliyan diraji piribe jarai ay ga sambu ay ga te odi labi zai yi sobai ga ha da manga labar ta kan te kunya hani zai labaro ay ga sobai ga sambi se aga kani se madalla zakai to fafonu ni dugo yowora lokaci yan kai alhamdulillah zama watkan kine sappu gonik ta ke dan propaganda ay gon parti yan kan inde go goy igay sambu nyamay ir koyre nyodo igay no mikra ay sobay ga fibliste parti o se sonde nyamay dai tuna ko nyamay day go dir cega kuray fongon kan mai gide dia gide he labaru no ko go dir cega igay sambu im konda nan kan ay go koy megisi boragwa kangu goro ya kine amna semta gite taksi noru giye ka nan kangaigo zakai goykul kan borgate borsi jan sandai ara sandai foyo noni be du wani goga du ni go yowora wallahi sandai ay du sandai an lokaci zama before da dai sappai wo kan bisa eh, labari yang ni katra ikeci imai hau diro ay kogu du choro yang kan faman dai se kan lalle kura kan yai godini aim su windi gudran bere bon ga ai nay lalle masal wadi dayno gita masal sna kadai go yar bor go gate da ni bang bara la bizai ma gano ni di boran kan igin wow igina borawo magara haifona han zamdi na journalist irwashin parti dai labara mo ai subor kuru nyawo yakine ai ga labaro te dayno matkan labar no ko kul gate hanis labari yake han fommo ay siragi privé don don bari sal ngene don don dang susubay ga habal bar ber ber ay kan musalay no wato ay musalay ginda don don ay mi sambore se bore subay ga hada kada to kan tare haray dang group pay bon gan harai kambo togo yang bene yang kamoru ya dang ni zel labi zai chega ha habun bon hun kunna man ka labai tare no group pay boy ga ha to dai diyan kan lokacin ga ne sigma rai ga amma kan labi zai bara ay tilas da kai bon ma sambi se labari kan ay du kai fo ay wani raja mo dai ga te dang tirhin kuno go se kan ay gaban ya kan ay bumbono ni kai bon ora ay bon se kirfa ay na se ya de en dang ya de en wo ay go go bora ya se no no dini tirhin kan tamo ay dang se ya de de ay dang asan ay sam tirfo koine ay dan tirfo mai ngamo ya de kat dang tirhin zo wo ngey nay goyda amma ga tag sambu journaliste kanga hantum danga le courrier yang le canal de sene yang ay ga tag sambu ngey mo doara kay nay kanga mara gi pribe boy mo ga mo dife gan han sambo re ra gi bon kanga nan dein tantarai groupe ra boray ma kani sani kan nigte kan koy taray jama kurgo ga hangana agi himnim kay gu goro gan hanse ni bon sen la kala zama yo ay sugun tira ay way bon la baro kan nay hadini abonno ay ge baro tense dunne ay mbor fo wo ay gnan sa ha ay wora giya hanis bar ne no dibte filana wo wo se wal minister filana wo se na ha ay wo kan tiraci ngana gici zam jamano go gay hanga madalla zake ni gihingir famandi ni radio wo kanida dan nakko wa bor kulu wone matana goida wallahi radio matkan agono goyda ngi che indi portable koye danga group koye portable e bon ngino indai irgo goy watu kulu dai te dai ban ay gi yeg bora yamara ne bora kayan gi labari yan sambo group pay bon kang labi zai kachere imi ngai labari imi hanse watu kulu ay gi chiyagi ay ne bora semo dindin group po bon danga labari kan agi ni labi zai dan charga wala gi bora yangendi kulu nim satan zama dine group danga ine labo zama labi zai ngai no group pay fai pe adinga din labar ten group po bon group fo wo dinga mo nara wo wat kala ndi cha ter ngo bon aran gini gi yange yange mo asai gomni bor hinkan da chargam zakay irgin fandago amma harai sikanu kala ko yo fatara ni sigga hinge ye te irse ni labarai ra alal misali kenan tira kasigne yadendore kambo tirwonede ane cnsp ine londo kar ine gondodi ɓogoɗi gigay laabisay se tak tak tak laabisay cnsp doare kambo ane bise se to gondo sumfanoya aranmomo da hay kunum sinan sumfamo komara segir sote bise doare kambo ngay mon alkawli sambuno ine kan ngay go gondo won dibba han sigidi gigay sumfay wonemos ko ngay se Pour notre playlist, écoutons l'un des anciens morceaux des Bombino. rubrique Loti d'aujourd'hui. Les Loti du jour parlent des responsabilités du mari envers son épouse et ses enfants. Dans nos sociétés et nos cultures, dans un couple, les responsabilités de chaque conjoint sont sutiles. Une discussion entre Rekia Arimi, Samira Rouafi et Moussa Hassan. Écoutons. wa alaikum salam aisa ba ni mo kan ni goga he ifo gati tanti ai wai farga wallahi ai sihini jawo da tabi wallahi sihini subhanallah ai wai ga budaino wallahi ai farga subhanallah hadda buya ifo gati heka ai sai bani ifo noti wallahi usmanu amma ba ta handu yin ka kai ya kafuya ai salan agan sai an tabo kan ai te usman bande agan salan ai sai agan ne ye. so ingine ya ayega sintin inga dayama a gwanda nogo amma a singa ban wari da ga gisir se windora ha a wanji ga fu nogo bana kal windi koyo ga di ka kaye bon son koy ne zan kai nogo ko je so kinim kandala kol a wanji gano koy na gwanda nogo so ingi zan kai gono dinga gisai se fu yan isi koy la kol wallahi sihini ayye siya kwara wallahi hey ir <laughs> hey dangai na ngai mai hijabu boga ka iru koi gagar ne ai gika sai kan yan hima Hey, nan aka gaigar ne yau. Ai go ne ba ba ba ai gutu su bana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, tanti, ana irko kuna lokaci ku kora. Oho, ai ga ne za su bai nai go ne ai gogin bot. <laughs> tabbat ranga cim aiman wasu ka haboci na no go yadin so da ko mbo kasino to irkoi dai mu dago nandi aizo ni ma ga se nai ka windora ka goro irin musalam to ni di haikan sai aika ka wo ai mu doga salan ni seno hayai wo kan ni goga te asibori ate handu yanne ya kan aika aina ran sabandi nin da aisa ni gorga sino kan halga kason ni man barmai son wa ayika aisi da sanni ta gifu kwai ne ga ka son ni menin dadin bar mai wala aha aisa ni goge ma wasar kurara yan obban da ka din koi fu mo haire do kai jombe ha a usman amanin masara guna ba a ga hamo ganki gun matikan ko ciwo ga hamo goda ha a fabu a bi ya ki non koi ga sambun da ni siga nwayandi ni siga bankare ha ni goyo wo wora su ai bo kan tukurnyo ya ne gor habora ai kursi ba han kan ngwa ai mi ka fu ko ne kai na kan ai gudu ngne ga ye ko ka jine te jen dai da ga ye kan da habora be du riba ai ga kan da wal man ta yadin usman irkoi dai mini yafa ni wanda wo no go hai kuljine a wani saluyan a wani ware a wani bankara da wani gahamu bano ni himano ni maguna zaka nin kata ne kataneo ni bonno wani tina kulgu yadino arsilam ne amma ni wa mutikan ni goga bunda irko hingin hada bafa. subhanallah tante hamsu musibo na won ware yasi ya dinga si baba na wo min gana gorgin hale hansefa hai kai na kan ni gudu a ga wasa ni wani neran do din wani almiya laise nisi bai matukan no zankai gin na fanda ba di tunu amma din siga din siti sai haiki gaba subu isi ba fongo niga da niga kan bana musu ba tanti wal hanan aisi aranga chim man tai gano niga alhayi ha ni wanda gano niga alhayi ha usman aran mu garan gurai te i hannu aisa alhana aisi musfan da yi hinne ai faham da ta loda tinawa kan gwaijin da bandabo dai son aban in kunume ai kulkan gwaijin da bandabo ai ke sinyi ka tabbatan di ni da zan kai sai ay way sigiya dinga mbono usman ay sofu dai mi yefu zamai ga bekan ni yeg sintin haisa ay ga tabbata din sai kan asiye ga fillo ko ne wone wo munane yayi asiye kati haisa ai kan ay ga kini sai gorni fuwara ni misali ni zan kai din kunye za kan ni kunye wo ni ha alhahi ma alhana sai ayo garan nan armadu garan sannai hanse aran gamara Merci les filles pour vos conseils. Enchaînons avec la rubrique à culture linguistique et ça sera avec Salamoto Bonjour à Bonjour les filles. Bonjour Salamoutou. Quel est le mot du jour Le mot du jour c'est la transience. La transhumance, c'est le déplacement saisonnier de troupeaux en vue de rejoindre une zone où ils pourra se nourrir, un endroit avec de l'eau et du pâturage. Cela concerne aussi le déplacement d'une même troupeau vers le lieu d'où ils étaient partis, par exemple les bétails. La transhumance est une pratique qui s'est faite par les éleveurs pour assurer une alimentation naturelle et de qualité au bétail. Il peut se faire d'une région à une autre et même d'un pays à un autre. Et c'est là qu'on parle de transhumance transfrontalière. Il a été démontré que la transhumance est due en majeure partie au déficit en ressources fourragères et hydriques. Le calendrier lutérinaire suivi et les temps de séjour dépendent de la disponibilité des ressources pastorales des zones d'attache, de transit et d'accueil. Généralement, la transhumance se pratique en saison sèche. Et maintenant, je vais expliquer le mot anzarma. transimans dai kati almanai kuriyan im fatta ngai bata maira im koygu subu ceci nongu fora kai banda nongu mu kadai nongu kan gwanda hari du subu hannu duro wodini kurkai igate ganda ga ka ganda zanga nongu ka nongu noya transimon so karanga ma igici annasar ci niga kurkai no gate kangana i almanai mudu wari hannu kan gina fa A hingata inongu follorano igu gorgate wala igu igu fattaga dirgu koy nongu fora he hanfan igu koy ba labu fora aseno igene transimans transfrontalier ifo se mono kurka Almane sambu gu koy subu ceci du subu si nongora dolo no igu dirgu koy gen wari nongora da mo kaidiya banda ngano igati. Merci à tous, Chers auditeurs et auditrices, vous êtes nombreux à nous écouter à travers vos à travers nos 50 radios partenaires. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. N'hésitez pas à nous faire signe sur le 82 89 89 64 dès que le besoin se présente. Studio Kalangu shiri ne wanda ke suwa kuma yana ka eh, gyara cikin zamantakewa ta suna shirye ga haɗa kan al'umma kuma suna waye ma al'umma kai da zamantakewa ta rayuwar duniya insha Allah. Eh suna Usman Muhammadu eh nan filin gani. To gaskiya biskan kan ra'ayi studio Kalangu dai studio Kalangu abu ne mai waye da mutane kai kuma yana ba da ra'ayi wanda mutane suna gamsar da su musamman ma munan na mazauna karkara da yake ba wasu abubuwa garinmu na wayewa ba amma in ya kasance ana kama tashi studio Kalangu ana jin abubuwan da duniya take ciki da wanda makwabta hakan gare abubuwan da suke kumsa da abu da kasa take wakana ciki gaskiya studio kan tana da wannan kokari kuma muna jinjina mata muna ba ta goyon baya ɗari bisa kan ɗari bisa kan labarun da take bada masu kayartar da mu gaskiya duk dai mai sauraren studio kan da yau da dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi kuna taimaka mana kwarai dan kuna hidda mutane dubu duk abin da ya shige mutane abin ga dai an lokaci an saurara dai kana samun labaru waɗanda za su umfanar da kai akan haka in ana so ana so ku ƙara ma a yi multiplayer rukkan. in an samu ƙari da ya kamata ku ƙara ko da wasu langana biskai ga abin sauna na abdullahi aliyu babu filinge to wallahi gaskiya tsarin yana nan ga tafiya daidai wallahi saboda muna ganin mahimmanci kuma muna samun ci gaba muna sauraron shi bisa sanadin kalmomi da muke ji gance da rayuwar duniya saboda muna sauraron abubuwa masu kamu ci gaba waɗanda za mu tsaya mu kwanar da hankalinmu mu saurara mu ga tafiyar da al'amarin kasuwa yanayin yadda ke rayuwar duniya ke tafiya shi yasa muka jin daɗin sauraron wannan kalmomi ina gaida sarki mai martaba rahidu marafa da mataimakin shi kuma C'est la fin de cette émission. Merci, et Au revoir.